Euh, ñoo ngi ñëw tey nañu voté nii léegi nañ doog a voté fii ci école El Hadj Demba Coly euh, bureau 4 si commune Sédhiou donc euh, comme sénégalais yu bëri fii ci Sénégal ak ci bitim réew def nañu suñu warugar pour que changement bu ñu bëgg si Sénégal maanaam développement Sénégal soppi Sénégal ñu mun ko am donc ñoo ngi ñaan lépp nu mu commencé nii mu continuer noonu si jàmm Euh, ba ñu compter résultat yi ku gagné ñu xam yow yaa gagné donc euh, ñu euh, tàmbali liggéey bi dès demain incha pour jëlee Sénégal ci situation bu mu nekk yóbbu ko ci situation bu nga xam développement lay doon naataange lay doon ak ngëneel lay doon. Ben, je viens de Rimonac civique. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre pays. Il s'agit de décider l'avenir de notre pays, comment notre pays va être géré. Il est heureux de constater que jusqu'à présent, les choses se font dans le calme. Et c'est ça, la démocratie. Ce jour est important parce qu'il s'agit de l'avenir de notre pays. Ça veut dire de dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans un sens du progrès. qu'on connaissait Yo, je crois que les dix dernières années, le métabolisme qu'il y a eu, parce qu'il y a une forte volonté de l'État central pour parler d'équité. Je pense que si on parle d'équité, c'est le premier exemple, c'est Aujourd'hui, c'est Seyou qui veut continuer dans cette dans ce projet. Et l'élection, c'est un jour. Je crois que ce qui nous unit est très fort. Il s'agit d'une nation, d'un pays. Et je crois que ça, c'est quelque chose à consolider. Je pense que l'élection, c'est un jour. Je crois que chacun doit garder pour calme dans le respect des uns et des autres. Et je crois que c'est ça, c'est la grandeur du pays depuis ce matin suis euh, ngi bureau mais euh, là, may suis dama je renseigno <coughs> ma gis euh, électeurs dañu 7 h déjà bureau de vote presque fess Ils ont voté ci ont ak teranga ku sa 13h, voté. ngi ci centre bi nga Ils centre bu mag la école 2 ma gis ont kon ils di voté nit ñi tamit am nañu culture élection kon man awma ci ben xel ñaar lepp dina jaar yoon te ñepp xam yalla ku muy tànn tànn nako ko ba pare ñi nek ci kër yi xamna naa ne dinañu genn di leen ñaax suñuy wax waro wax fi à Sédhiou lu fi constaté moy élection yi ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi ñu ngi déroulé ci jamm seetlu nañ lolu té vraiment lolu nek na li nga xamante ne moom dalal na suñu xel té yaakar nañ ni climat bi bu continuer ni sans pour autant mu am problème mun nañ yaakaar ni Sédhiou élection yi dina dem ba 18 heures ba jeex euh, du ñu am benn problème te beneen bi mooy que dañuy gis ni tamit euh, boo xoolee centre yi nekk Sédhiou yëpp euh, la plupart am na ñi nga xamante ne ñooñu la les électeurs prioritaires mooy ñi nga xamante ne dañ ci situation d'handicap ak ñeneen ñi nga xamante ne dañ en état ak ñi nga xamante ne ay mag lañu donc à chaque fois bu avons ci un bureau de vote nous avons en premier pour que nous continuions continuer ci rang bi mais pour le moment ça va on espère vraiment que lii bu continuer vraiment la Sénégal donc na faire euh, ko ñu Nous nous pour Sénégal mais pour remercier le bon Dieu de nous avoir donné l'opportunité et en bonne santé euh, d'assister à, ce tournant décisif de notre nation. Alors euh, j'ai constaté que les Sédiois sont en train de venir massivement accomplir euh, leurs devoirs citoyens. J'ai voté tout à l'heure en réalité je n'ai constaté aucune anomalie aucune irrégularité en ce qui concerne, n'est-ce pas, le déroulement du processus. C'est à saluer. Le Sénégal c'est... Une grande nation, c'est un pays démocratique. Et je profite de l'occasion également pour lancer appel, pour inviter les différents candidats à avoir plus de retenue, de sérénité, mais aussi de prôner le message de paix et de stabilité. Parce qu'en réalité, sans la paix, rien ne peut se faire. Sans la paix, il ne peut y avoir d'élection.